le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 18 minutes. Merci de rester en notre compagnie. Très ravi de vous retrouver ce soir. Nous sommes lundi 31 octobre, le dernier jour du mois d'octobre. C'est un autre numéro du forum de studio Kalagou que nous vous proposons tout de suite. Diallo Maria Makenda à ce micro. 45 minutes, c'est le temps d'antenne que nous passerons ensemble. La saison hivernale vient de s'achever. Quel bilan peut-on dresser de la production agricole sur l'ensemble du territoire Nous allons tenter de répondre à cette question. Nous irons à Difa, une région en proie à l'insécurité où cette année la production agricole s'est nettement améliorée, mais nous allons, nous serons aussi nous ferons aussi la situation à Agadez et à Tilabéry. Bonsoir à tous. cette fin de mois d'octobre, c'est le moment des récoltes dans presque toutes les régions du Niger. Direction tout de suite Tilaberi. Le directeur régional de l'agriculture de Tilaberi, Zakaria Oseidou, affirme que cette campagne agricole 2016-2017 dans la région s'est bien déroulée et est satisfaisante. Il a été joint au téléphone ce matin par Abdoulaye Mamoudou. Comme certainement les gens l'ont constaté, l'année 2016, euh, la campagne agricole a été globalement satisfaisante, surtout le plan. Quand vous prenez sur le plan démarrage de la campagne, cette année, elle a commencé un peu plus tôt que l'année dernière. Les premières pluies utiles ont été enregistrées en avril 2016, tandis qu'en 2015, les premières pluies qui ont permis les premiers semis ont été enregistrées pendant la deuxième décade du mois de mai. Donc, euh, ce qu'il faut retenir. Tout au long de ce mois, nous allons vous annoncer qu'on a amorcé la récolte de mille guignées et quasiment dans l'ensemble de la région de Tilabé. Donc, euh, par rapport à la pluviométrie, comme je l'ai dit un peu si haut, il est à retenir sur les 44 postes suivis, nous avons plus de 90 qui sont excédentaires. 14 postes sont déficits, soit euh, environ 10%. Le données maximum, nous avons enregistré 777 mm en 33 jours dans le département de Torodi euh, au niveau de la commune de Makolandi. Le plus faible taux a été enregistré à Abala avec 317 mm en 17 jours. La situation des semis, c'est qu'il faut peut-être euh, noter, malgré l'aspect satisfaisant de la campagne dans l'ensemble de la région, nous avons 66 villages en fin octobre que nous pouvons dire qu'ils n'ont pas du tout sémé. Peut-être la précision importante ici. Ils ont eu les premiers semis et ils l'ont perdu. Donc, ont tenté de rattraper, mais en fin de fin, finalement, d'autres ont lâché et accepté la défection, si on peut le dire. Sinon, au début, c'était 70. Euh, les autres ont pu faire un petit rattrapage avec euh, le Niébé, mais à la date d'aujourd'hui, nous avons les 66 qui n'ont pas du tout semé et qui sont pris en compte dans le cadre de nos activités que nous envisageons dans le cadre des cultures irriguées. Car, peut-être, c'est un petit rappel. Pour nous, les deux campagnes se complètent. Donc, dès qu'on assiste à la fin de campagne, un de nos objectifs, c'était d'organiser et de préparer la campagne de culture irriguée. À la date d'aujourd'hui, nous sommes là-dessus. Et ces 6 villages, comme je l'ai dit, font partie de nos priorités dans le cadre d'accompagnement des cultures irriguées. Peut-être ce qu'il faut dire, certainement vous l'avez entendu, la situation sanitaire a été marquée cette année par une forte attaque de Sotorio, notamment dans le département de Filengui, un peu et une partie de Bani Bangou. En tout cas, c'est dans ces deux départements que nous avons atteint une forte pression de Sotorio, où l'ensemble de la région de Tilaberi, nous avons enregistré 64 904 hectares d'infestés et nous avons pu traiter jusqu'à 36 422 hectares, soit euh, un peu plus de 56% des infestations. C'est qu'il faut peut-être préciser, les 70% de ces infestations sont des Sotorio. Et si c'est un petit rappel, cette année d'une manière un peu marquante, nous avons constaté l'invasion des, oiseaux granivores où nous avons eu à faire un traitement dans le, département de Banibangou et euh, dans le département de Walam. Maintenant, par rapport euh, à la situation alimentaire, donc euh, nous pouvons dire, si on essaie de comparer les prix sur le marché, le 1000 à la date, nous avons le kilo à 290 francs contre 228 francs l'année dernière. Dans l'ensemble, on a noté eh, la disponibilité des produits sur le marché et nous avons dans l'ensemble aussi une baisse des prix des produits comparés à la décade précédente. Quand je dis précédente, c'est pour dire la situation des démarrages de récolte nous a amené à un peu des prix qui sont en train de baisser dans l'ensemble de nos marchés de la région. Cependant, les prix sont restés légèrement stables comparés à la même période de l'année passée, sauf pour le niébé qui est en baisse. Alors, euh, au vu du déroulement de cette campagne, estimez-vous que la production est excédentaire ou déficitaire Vous savez, c'est très tôt de dire que la situation est excédentaire ou déficitaire. Pour un premier temps, à notre niveau, on fait ce que nous appelons l'appréciation physique de la situation. Entre-temps, comme euh, vous le savez, il y a la phase pratique. La phase pratique, c'est un peu le PV des carrés de rendement. À partir de ces cumul et à partir de ces résultats que nous pouvons faire euh, nos calculs et nos estimations pour savoir si elle est réellement excédentaire ou déficitaire. Mais ce qui est sûr, on peut le dire haut, la campagne euh, cette année, elle est nettement meilleure que celle de l'année dernière. Donc, il n'y a aucune surprise qu'elle soit excédentaire. À la date d'aujourd'hui, les villages déficitaires, nous avons à peine les deux tiers de l'année dernière. Ça, c'est en attendant qu'on finalise un peu nos calculs puisque c'est des procédures. Nous, pour un premier temps, on fait nos premières enquêtes, on envoie au niveau national, il font les analyses, parce que comme vous le savez, pour nous, de la première pluie à la dernière pluie, nous enregistrons des rapports des cadres, et c'est l'ensemble de ces rapports qui sont analysés et qui sont comparés pour le résultat définitif avec les carrés de rendement qui nous donnent la situation exacte et comparés, et nous, ça nous permet de voir, de confirmer un peu tout les analyses que nous avons faites de l'année, la campagne agricole de son début à Monsieur le directeur, on sait que la région de Tilaberi regorge d'importants aménagements hydroagricoles sur lesquels euh, sont cultivés du riz. Quel est l'apport de la production du riz cette année Là-bas même, euh, c'est un peu à l'image de nous autres, mais le service est plus autorisé à le dire, c'est le service de l'ONAHA. Mais nous passons les échos que nous avons avec eux, la campagne à l'image de la campagne euh, agricole. Nous pensons que même pour le riz, cette année, la campagne, elle est aussi acceptable, parce que tout est lié à la pluviométrie. C'est vrai, de l'autre côté, ils utilisent beaucoup le fleuve, mais c'est qui sûr, ça me permet on n'est pas autorisé à le dire, les écoles que nous avons aussi la campagne est Monsieur le directeur, euh, dernière question, quels sont les produits agricoles qui sont les plus euh, cultivés dans la région de Tilaberi et avec quelle quantité Vous savez, le mille est devenu, non pas à Tilaberi, d'une manière globale, des qu'on parle de culture la première des choses que les gens voient, c'est le mille. Mais c'est qui sur sûr, de plus en plus, le nid est en train de prendre un pas par rapport aux activités pluviales, nous l'avons constaté. Et les gens ont compris que c'est vraiment un produit, non seulement que nous appelons des rentes, parce que quelque part, en termes de rendement, en termes de possibilité de régler un problème du pays et du paysan tout juste à la sortie, c'est vraiment le premier produit que le producteur utilise pour régler ses problèmes les plus urgents. Donc, c'est euh, ces deux cultures, nous passons, c'est des cultures qu'on peut considérer qui domine dans les activités agricoles de la région. L'impact de l'initiative 3N euh, dans le domaine euh, agricole au niveau de la région de Tilaberi C'est clair, l'impact quand vous prenez un peu comme on le dit, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Peut-être je profite pour le dire, c'est un peu l'activité agricole que d'autres Nigériens sont en train de faire. Le surplus par rapport à leurs besoins va être mis sur le marché et c'est les Nigériens qui vont l'acheter, c'est les Nigériens qui vont le consommer, donc les Nigériens nourrissent Nigériens. Donc l'autre côté, il faut le noter. Nous avons depuis euh, un temps un appui pu et fort en semences améliorées. Ça fait partie des objectifs de l'initiative 3 Dans le cadre de l'initiative 3 il est prévu d'emblaver 25% des superficies agricoles avec des semences améliorées pour booster la production de 35%. Nous sommes là-dessus. L'État fait suffisamment d'efforts par rapport à l'appui en semences améliorées, que ce soit en culture pluviale ou en culture irriguée. encore de l'autre côté, l'avez certainement constaté, les tracteurs sont mis en place. Aujourd'hui, ça commence à être une réalité. Dans la pratique du monde paysan, l'écriture atelier commence à prendre part. Sans oublier, si vous avez constaté les autres outils de traction animale, c'est aussi une réalité. L'engrais mis ces deux dernières années à temps et en quantité suffisante pour les producteurs. Donc, nous pensons vraiment par rapport à l'esprit de la chose. Dans le domaine agricole, il y a eu un effort qu'il faut accepter et dans sa toute dernière question, monsieur le directeur. La campagne agricole 2015-2016 a-t-elle été déficitaire ou excédentaire 2015-2016, elle était légèrement excédentaire. Légèrement. Parce que, comme on le dit, il faut aussi accepter, hein, même cette année que nous passons, elle est bonne à l'intérieur. Il y a toujours des poches où ça ne répond pas à l'attente de la communauté. Donc, en réalité, pour nous, ce qui compte, c'est la moyenne régionale. À l'intérieur de cette moyenne, il faut accepter qu'il y a quelques poches où la situation n'est pas aussi bonne. C'est un peu ça que nous sommes euh, en train de finaliser. C'est que à la fin qu'on appelle les villages déficitaires, qui sont à l'intérieur du résultat global. Et l'appui et l'accompagnement de l'agriculture, il y a en ce qui concerne l'agriculture, prend en compte ces poches où la campagne n'a pas répondu à l'attente de la communauté. C'était le directeur régional de l'agriculture de Tilabéry, Zakariao Seydou. Après Tilabéry, nous retrouvons notre correspondant Moussa Maman qui a interrogé cet après-midi le directeur régional de l'agriculture d'Agadez, Kabou Moussa qui annonce que malgré la grande pluviométrie enregistrée dans certaines communes, la campagne agricole dans la région d'Agadez n'est pas bonne cette année. Il affirme que le principal indicateur est l'écoulement de Cori. Le directeur régional de l'agriculture d'Agadez, Kabou Moussa, au micro de notre correspondant Moussa Maman. Cette année, euh, c'est vrai que d'aucuns pense que la campagne a été très bonne parce qu'elle a démarré à avec des grandes pluies, des inondations, mais euh, vraiment à la fin, on est dans une situation où les écoulements sont déficitaires par rapport à 2015, et ce qui s'est traduit euh, dans certaines communes, notamment les communes de Tabelote et d'Abaga, par des abandons partiels des jardins, parce qu'il euh, n'y a plus d'eau pour euh, les irrigations. Voilà un de façon générale, mais dans l'ensemble, on peut dire que par rapport à la campagne, ça va, mais en tout cas, dans certaines communes, la situation n'est pas très très satisfaisante. Sur les 254 euh, villages que nous avons, euh, nous avons en tout cas les évaluations que nous avons faites avec les communes, nous avons estimé qu'il y a environ 119 villages qui sont euh, déficitaires, alors que l'année dernière on avait moins que ça. Monsieur le docteur, quelles sont les pluviométries enregistrées dans la région d'Agadez cette année euh, Par rapport à la pluviométrie, nous avons euh, au niveau de la région, nous suivons 13 postes et c'est à Ingel que nous avons reçu le maximum de, précipitations jusqu'à 381 mm en 32 jours. Mais il y a des communes où, par exemple, on a enregistré très peu de quantité de pluie. Je vais faire abstraction des Bilma. Nous avons, par exemple, à Arlit, où on a eu le minimum de précipitations. Or, euh, même par rapport rapport à l'année dernière. Sinon, il y a certains sites qui sont euh, déficitaires, mais il faut dire que aussi on a des sites déficitaires de plus de 50 mm. C'est notamment euh, dans quelques kilomètres euh, ou postes de suivi au niveau de la commune rurale d'Abaga. Monsieur le directeur, quels sont les produits agricoles qu'on peut avoir ici dans la région d'Agadez Bon, les produits agricoles au niveau de la région d'Agadez, ça dépend des, saisons. Aujourd'hui, on est en saison de, de pluie. nous avons principalement l'oignon. Nous avons euh, le maïs et euh, plein d'autres petits produits, mais principalement, c'est les deux produits phares euh, de la campagne d'hivernage. Nous avons de l'arboriculture, notamment les oranges de Timia. Ça fait partie des, choses qu'il faut la renommer de la région d'Agadez. Nous avons des dates, que ce soit de, de la ou du Kawar, pendant l'hivernage. En dehors, j'ai dit des petites cultures, notamment. Ça, c'est les principales cultures. Maintenant, en saison euh, sèche, froide, qu'on appelle communément la saison des, cultures irriguées, là, il y a vraiment un paquet important des cultures qu'on a. Nous avons tout ce que vous avez comme les cultures potagères, notamment les laitues, les choux, les carottes et autres. Il y a les blés, la pomme de terre, l'oignon, l'ail, plusieurs autres épices qui sont en tout cas cultivées dans la région d'Agadez. C'est une des régions où la diversité, en tout cas en matière de spéculation, est plus importante que partout au Niger. Parce que là, vous, pouvez trouver toutes les cultures et toute l'année parce que nous avons, nous utilisons, nous sommes en irrigation, contrairement au sud où les gens n'ont qu'une petite saison euh, dans, l'année. Or, ici, c'est les 12 mois sur 12, on peut cultiver et on a une diversité de cultures par saison. La production agricole au niveau d'Agadez, quelle est la différence entre l'année 2016 et l'année 2015 Bon, euh, nous ici, on, euh, nous, avons estimé que les productions sont en tout cas plus ou moins euh, moyennes, n'est-ce pas Mais elles sont inférieures à 2015 parce qu'en 2015 la situation est plus ou moins générale sur l'ensemble de la région. Mais cette année, en tout cas, il y a des poches. Tout à l'heure, j'ai parlé des, communes de Dabaga et des de Tabelot. Et l'autre situation qu'il faut dire aussi, c'est que cette année, en tout cas, la, vente de l'oignon n'est pas satisfaisante. Aujourd'hui, euh, bon, ça vraiment on ne sait pas les raisons, mais euh, il y a une chute des prix euh, des sacs de 50 kilos qui se vendait à plus de 10 000 francs l'année dernière. Aujourd'hui, il tourne autour de 7 000. Et ça, c'est aussi le premier choix. C'est une situation un peu, en tout cas, catastrophique pour les, les producteurs euh, d'oignons. Parce que si les sacs ne se vendent qu'à 7000 francs, euh, ce qu'ils vont gagner, c'est très très insuffisant. Or, les gens misent sur cette culture pour faire tout ce qu'il y a comme approvisionnement et autres investissements sociaux. Propos recueillis par notre correspondant à Moussa Mamane. Selon Manou Badier, secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture du Niger, la production agricole est largement au-dessus de la moyenne en dépit des attaques des ennemis de culture dans certaines régions. Manou Badier, secrétaire général euh, du SNAN, donne son appréciation au micro d'Abdoulaye Mamoudou. Cette campagne-là, elle a eu l'opportunité de s'installer assez tôt. Dès avril, déjà, on a les premières pluies. Et elle a connu un déroulement plus ou moins normal. Et vraiment, il faut dire que dans l'ensemble, la production a été très, très bonne. Et sur le plan agricole, et sur le plan pastoral, parce que le fourrage aussi a très bien donné. Cependant, il faut noter, en dépit de quelques postes de sécheresse, qu'il y a eu quand même aussi les dégâts de sauterie, surtout vers la fin de la saison ça aussi, c'est venu un peu, euh, disons, réduire les chances des producteurs d'avoir des stress dans certaines régions. Vous avez des chiffres non, les chiffres sont du domaine de l'officiel. Nous, on n'a pas à communiquer des chiffres. Mais au gouvernement de communiquer les chiffres, c'est une fois officialisé qu'on peut utiliser ces chiffres. Monsieur Manou, l'année passée, on se souviendra suite au bras de fer euh, entre votre structure syndicale et le gouvernement. Vous avez décidé de bloquer les données de la campagne, ce qui n'a pas permis de faire euh, une évaluation globale de la campagne agricole à temps. Qu'en ah. est-il de cette année Cette année, nous n'avons même pas envisagé le blocage parce que vous savez, nous, notre objectif n'était pas de chercher à empêcher à quelqu'un de travailler ou de ternir l'image du pays. Notre objectif était d'attirer l'attention des dirigeants sur le fait que nous servons l'État et nous avons notre propre importance qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Ce message-là avait été compris parce que lorsque nous avons reçu l'aveu du ministre en charge de l'agriculture, qui était jusqu'à Rome en Italie au siège de la FAO, il était incapable de fournir les données. Il nous a fait aveu et vraiment on a senti que quelque part, ce n'est pas dans l'intérêt du Niger. Nous avons dit que notre objectif est atteint. On espère que le gouvernement a bien compris. D'autre part, certains de nos camarades ont porté le message au président de la République. Voilà, à partir de là, nous avons dit que nous mettons en stand-by la lutte pour espérer que maintenant la volonté politique va faire ce qu'elle va. Mais malheureusement, nous sommes rendus à l'épreuve des faits, que malheureusement, en face de nous, on n'a pas la même compréhension. Mais vous avez quand même une euh, certaine évaluation de la campagne 2015-2016 Comment est-ce qu'elle s'est passée 2015-2016, ils ont fini par sortir les chiffres, mais vraiment, pratiquement en début de cette année, hein, vers avril-mai, qu'ils ont sorti les chiffres. La production a été moyenne. Des chiffres pas mal. Bon, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais je sais que la production a été moyenne. On a eu au niveau des céréales plus de 4 500 000 tonnes, donc au niveau des céréales et au niveau des légumineuses également. En tout cas, globalement, on peut dire que c'est autour de 8 millions de tonnes la production agricole pour le Niger globalement. Mais c'est une très bonne production, mais elle est autour de la moyenne quoi, des 10 ans, comme on a l'habitude de faire la comparaison. Monsieur Manu, au Niger, euh, quels sont les produits agricoles qu'on exporte ou qu'on importe à quelle quantité en ce qui concerne les exportations, vous savez, nos produits phares, c'est surtout le niébé, c'est l'oignon, c'est le poivron, c'est le sésame, en priorité ceux qui sont exportés. Vraiment, ces produits-là sont très, très prisés et ils sont très appréciés. Généralement, il n'y a pas de mévente. En dehors du niévé qui a un problème de conservation, l'oignon, aujourd'hui, les producteurs sont suffisamment sensibilisés. Pour ce qui est des importations, très malheureusement, nous importons beaucoup de riz. Nous importons bon an, mal an 300 000 tonnes de riz. C'est énorme quand on sait que nous avons le fleuve Niger, nous avons les vallées de la Magia et du Goulbi, nous avons les vallées de la Comadougou, tout le bord du lac Tchad. On peut produire suffisamment de riz dans ce pays, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est des importations importantes. Nous importons les huiles parce que tout simplement, les huiles, également, on en produit très peu. Un peu d'huile d'arachide partie, mais c'est l'huile de palme qui, fait, qui alimente nos cuisines aujourd'hui. Donc, nous importons beaucoup les huiles. Et très malheureusement, ces produits-là ne sont pas toujours d'une qualité meilleure. Hein. Comme vous le savez, on n'a pas tous les moyens aussi de faire les éducations. Certaines huiles contiennent des métaux lourds. Il faut avoir les moyens de les analyser pour pouvoir rejeter, en tout cas, les stocks. Ce que certains voisins ne peuvent pas exporter en Europe, du fait des exigences du contrôle, ils déversent ça au niveau de nos pays. Et nous, malheureusement, quand on n'a pas toujours les moyens de contrôle, on ne fait que consommer, malheureusement. Mais selon vous, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au Niger de produire assez de riz c'est uniquement la volonté politique. Vous savez, la vallée du fleuve Niger, on peut l'aménager aujourd'hui on peut refaire les périmètres irrigés. On a bon mal à dans les 200 000 à 400 000 hectares qu'on peut aménager. Malheureusement, on met toujours en avant le fait qu'il n'y a pas assez de moyens. Mais quand on compare avec les fonds qui sont injectés ailleurs, vous savez que le Niger importe bon mal 50 milliards de produits agricoles. Donc 50 milliards, nous, nous avons fait le calcul. S'il faut les investir au bout de cinq ans, vous allez arrêter la dépendance de certaines importations. Donc c'est une question de planification. On a un sérieux problème de planification et on a un sérieux problème d'option de choix stratégique pour le pays. Malheureusement, ça, c'est au niveau des dirigeants. Je crois que les gens vont On a quand même euh, l'initiative 3N Bon, vous savez, je voudrais bien que vous posiez la question à l'initiative 3N, Qu'est-ce qu'ils ont produit toutes ces années On dit beaucoup de choses, mais nous, sur le terrain, on n'a rien vu de l'initiative 3N. En fait, les gens avaient beaucoup d'espoir quand on a instauré l'initiative 3N. Aujourd'hui, poser la question à beaucoup de gens, ils vous diront qu'ils n'ont rien vu de 3N passer. Hein. Donc, mais bon, qu'est-ce que vous voulez Les milliards ont passé dedans les programmes sont passés, même le simple recrutement du personnel, parce que nous avons un personnel qu'il faut multiplier par 4 si on veut réellement être efficace. Malheureusement, durant les 4-5 dernières années, on n'a recruté que 300 agents, donc c'est pas fameux. Quoi. À votre avis, l'initiative 3 n'a pas servi à grand-chose En tout cas, nous, nous n'avons pas vu les effets, parce que pour nous, si l'initiative 3 était vraiment assise sur des bonnes bases, on allait éviter de prendre ce qu'ils ont appelé les soldats de la Renaissance, on allait éviter de tâtonner, puisque même la compréhension a posé des problèmes. Les 4-5 premières années, même les officiels, il y avait un problème de compréhension sur les objectifs de l'initiative 3 La maison du paysan qui est censée être l'unité phare de l'initiative 3 nous nous avons demandé jusqu'en fin 2015 s'il y avait un seul exemple, une seule commune où la maison du paysan est installée au grand complet, qui peut servir de visite. On n'a pas été capable de nous dire voilà là où ça existe. Il y a des réalisations à droite, à gauche et partout. Mais donc, c'est pour dire que quelque part, les réponses qui ont été apportées par l'initiative Troisième n'ont pas été à la hauteur des attentes des producteurs. Monsieur Manou, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'entendre le secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture du Niger, Manou Baguet. Nous avons aussi approché le Haut Commissariat à l'initiative 3N pour recueillir leur avis sur la question, mais cela n'a pas été possible pour l'instant. Terminons ce point de la production agricole avec DIFA, cette région qui vit une situation d'insécurité depuis quelque temps. Premier témoignage, celui du chef de canton de Goudou-Maria que j'ai pu joindre au téléphone. écouter les explications de Maïwuruma Maïarifa qui ont produit le mil, le sorgho, le millet, l'arachide, le riz, je ne connais pas son nom en, français. C'est le type de culture qu'on fait ici dans, notre canton. À 60% du canton, c'est le monde Le, le nord du goudron, c'est là où euh, cette année, l'hivernage n'est pas tellement, mais le sud goudron, l'hivernage tellement très très même bien. Le sud goudron, on est vraiment satisfait de l'hivernage. Le sud goudron, ça veut dire euh, le côté situé au sud du goudron, c'est ça Oui, sud du goudron, oui, oui. D'accord. c'est la zone la plus peuplée du canton. Et donc on peut dire en général que là-bas la production a été bonne. Oui, à 60%, c'est bien. Et c'est dû à quoi Y a-t-il des dispositions qui ont été prises Comment ça s'est passé Non, parce que le Dieu. C'est l'eau qu'on a eu, c'est de l'eau. Avant, on reçoit par an 240, 250, mais cette année, on est plus allé jusqu'à 700 000. On a eu suffisamment de l'eau et il n'y a pas de dégâts de sauterelles de quoi. Alors, cette production-là, qu'est-ce que euh, les populations en font Est-ce qu'elles importent euh, ça vers d'autres d'autres euh, cantons, vers d'autres villes de Niamey Non, seulement le et le là, Il y, avait une différence entre cette année et l'année passée Non, l'année passée, on n'a rien eu. Et l'année passée, c'était dû aussi à la saison hivernale Oui, et aussi à les aussi. Donc, il y a eu des dégâts l'année passée Il y a des dégâts aussi, et aussi même euh, la saison hivernale n'est pas tellement et l'année passée, on a, vous avez enregistré combien de euh, millilitres de pluie 200, 200 et quelques, je crois bien. Si je ne me trompe pas, ça doit être autour de 280. Mais cette année, c'est autour de 700. D'accord. Euh, restons à DIFA pour le directeur régional de l'agriculture, Boukari Casalma. La campagne a été bonne à la grande satisfaction pour les populations de Difa où les femmes sont très actives dans cette production agricole. Nous l'avons joint ce matin. Voici notre conversation. La production agricole, je crois qu'il faut le voir sous deux angles. Il y a la production agricole qui dépend directement de la pluviométrie et l'autre production agricole qui dépend de l'irrigation. En ce qui concerne euh, la campagne pluviale, je crois que nous venons juste de sortir euh, de la fin de la campagne et pour cette année, on peut dire que la situation a été exceptionnelle. Pourquoi vous dites que la situation a été exceptionnelle la situation a été exceptionnelle parce que l'année passée, nous avons connu vraiment une pluviométrie aléatoire avec des retards de semis. Même les zones qui ont semé, tous n'ont pas eu la possibilité de cultiver à cause problèmes que vous connaissez dans la région, le mouvement des personnes et tout ça. On parle de combien de euh, la quantité de pluviométrie Bon, l'année passée, le cumul maximum que nous avons enregistré était de 449 mm au cours de la campagne. Ça, c'est le cumul maximum. Et le cumul minimum était de 155 mm l'année passée. Cette année, si on prend le cumul maximum, par exemple, pour l'année 2016, nous avons enregistré un cumul maximum à 509 mm. Donc déjà, vous voyez, on a quand même une différence. Et le cumul minimum, 281 mm. Donc de là même, vous pouvez comparer que les hauteurs de pluie tombées en 2016 sont beaucoup meilleures à 2015. On sait aussi, hein? avant que vous ne poursuiviez, qu'il y a eu des dégâts, par exemple, dans certaines régions comme à Agadez, à Est-ce que à Difa, ça, ça, a été le cas Bon, Dieu merci, pour Difa, ça n'a pas été le cas. Ce qu'on craignait, c'était la montée des eaux de la Comadou. Euh, Dieu merci, actuellement, je sur certains aménagements ils sont déjà à la récolte du mille. Cela ne s'était pas passé parce que habituellement, euh, c'est la période qui nous inquiétait le plus. Euh, les, eaux de la Comadougou commencent à monter à partir de la mi-octobre et ça continue jusqu'à novembre. Et jusqu'à cette date, cette année, nous n'avons pas à respirer des inondations pour le moment. Donc, à un certain moment, on était inquiété à cause de la montée de la Comadougou pendant la campagne, mais je crois que c'est plus au plus exceptionnel et Seulement, nous avons connu des cas de maisons effondrées. À Ningimi, on a connu des cas. Dans le département de Goudomaria, on a aussi connu des cas. Mais ce sont plus des dégâts sur les habitations que sur les cultures. Et l'autre aspect de la production agricole Je crois après la pluie, il faut prendre en compte la situation du semis. Les semis, dans la région, nous avons 6 villages agricoles. Sur les 606 villages agricoles, il y a 535 qui ont pu effectuer les signes, ce qui représente 88% euh, des villages, alors que l'année passée, on avait 574 villages euh, qui ont effectué les signes. Ça, c'était en, 2015. En 2016, on est remonté à 574 villages, donc à peu près euh, une nette amélioration comparé à l'autre année. Mais l'ensemble des villages n'ont pas pu s'aimer parce qu'il y a environ 71 villages dans 14 villages du département de Nidimi et 57 villages du département de Bousso ils n'ont pas pu effectuer des séries. Pas pour des raisons de pluviométrie, mais uniquement pour des raisons de sécurité. Parce que la zone est un peu dans la zone où il y a beaucoup de mouvements militaires, donc euh, ce n'est pas bon que les civils s'approchent de ce genre de zone. Ou bien c'est parce que les populations elles-mêmes se sont déplacées loin de leur terre pour aller chercher refuge dans d'autres communes. Donc euh, à toutes ces raisons ont fait qu'il y a quand même 71 villages qui n'ont pas et tout effectué du Alors avec ces 71 villages qui n'ont pas effectué de, de, semis. Et avec la production euh, des autres villages, on peut dire que DIFA s'en est sorti quand même avec une très bonne production alors. Bon, de façon globale, pour, le moment, euh, notre appréciation ne reste que qualitative. En attendant la sortie des chiffres qui est en train d'être compilés, sur le plan qualitatif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la situation est meilleure par rapport à l'année passée. Que ce soit sur le plan euh, de l'évolution des cultures même sur le plan des attaques des ennemis des cultures, nous avons eu moins de pression et même les départements où on craignait qui sont considérés comme des zones endémiques comme Goudou Maria et Maïni cette année nous n'avons eu que des attaques isolées et qui ont été vraiment maîtrisées avec les moyens de la région alors que habituellement on fait appel à l'avion quand nous sommes trop débordés. Autre élément qui peut encore nous donner une appréciation, c'est le prix des céréales sur les marchés. Les prix des céréales à partir du mois de juillet ont commencé à, à chuter surtout à partir du mois d'août. Les prix des céréales ont commencé à acheter, donc les prix étaient un peu élevés. Je crois qu'il y a deux raisons qui peuvent expliquer l'élévation des prix. L'une des raisons, c'est que l'année 2015 a été mauvaise sur le plan agricole. Donc, forcément, il doit y avoir des conséquences sur la disponibilité des céréales sur le marché. Le deuxième facteur, c'est la fluctuation de la naira. Je crois que avant que le gouvernement du Nigeria ne prenne des mesures par rapport à, au réversement de l'économie, la naira s'est changée 1000 francs CFA contre 350 naira. Aujourd'hui, où je vous parle, 1000 francs CFA euh, est échangé contre 730, euh, 750 naira. Or, les transactions au niveau local se font surtout avec la naira. Donc, euh, une fois que vous prenez la naira et vous convertissez en CFA, tout celui qui est habitué aux transactions en naira va penser qu'en franc CFA, les coûts sont élevés. Mais je crois qu'actuellement, les choses sont stables. Le prix du mille, par exemple, en pleine campagne, de sac de 100 kilos se vendait à 30 000 francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes revenus entre 21 euh, et 22 000 francs. Et je suis sûr qu'au fil et à mesure que les récoltes vont continuer, le prix du sac va diminuer davantage. Quels sont les produits euh, qu'on retrouve dans cette région Généralement, d'abord, c'est le mille, le sorgho, le maïs le plus le niébé un peu de l'arachide et du vanjou. Mais, vous savez, depuis les événements de février 2015, la zone de production du maïs est devenue inaccessible. Donc aujourd'hui, au lieu que produisent produise et exporte du maïs, nous-mêmes, on achète du maïs euh, des autres régions. Et D'habitude, c'est nous qui fournissons du maïs euh, aux autres régions. Donc, euh, et ça, c'est parce que pendant bientôt deux campagnes, les gens n'ont pas pu accéder à leur zone de culture dans la zone de production de maïs qui est vraiment euh, localisé au bassin du lac Tchad. Les on ont déjà quitté là-bas depuis mai 2015, donc la production est presque nulle là-bas. Les importations, c'est surtout, par exemple, le mil et Le riz qu'on produit beaucoup ici sur nos aménagements, soit sur les aménagements agricoles formels, soit en ce qu'on appelle le riz hors aménagement, c'est-à-dire des individus qui n'ont pas le système d'irrigation performant comme sur les aménagements hydro-agricoles, mais quand même qui produisent du riz de l'un de la Comme c'est évalué à, à peu près 3000 hectares de, euh, de riz qu'on peut cultiver annuellement. Donc, pour le riz, en dehors du riz qui est importé à partir du port de Cotonou, la région aussi produit. Et je, et je crois beaucoup en consomme ce riz, à commencer par moi-même. <laughs> Moi-même, je produis, <laughs> je, consomme le riz qui est produit localement. Et c'est un riz qui est prisé, hein, le, le, riz local. Oui, c'est la Gambianca. C'est une euh, variété qui a été introduite euh, par le ministère de l'Agriculture et je crois que surtout dans la classe des fonctionnaires, beaucoup préfèrent euh, acheter et consommer le riz local que de consommer le riz importé. D'abord, c'est une production fraîche de l'année que vous allez acheter et quand vous faites des portiques, vraiment, il n'a rien envier à l'autre C'est dans le cadre des trois N que ce riz a été, euh, je vais dire, proposé, initié par le gouvernement. la dans culture de ce riz. Parce que L'un des objectifs du troisième est aussi est d'accroître la production agricole. Et actuellement, avec série, on arrive à avoir de bons rendements. Il y a des, aménagements qui ont atteint jusqu'à un peu plus de 8 tonnes à l'hectare, alors que la moyenne nationale aussi autour de 6 tonnes. Donc je crois que c'est un riz performant et le goût est très bien apprécié. Parlons donc des trois N. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de cette initiative euh, Je parle pas seulement de cette année, mais depuis, euh, que cette initiative a été euh, instaurée, prise par les autorités. Disons que avant même que la stratégie ne soit adoptée en, en avril 2012, un geste important ou un acte important que l'État avait posé à l'époque, dans toutes les régions, je crois, on est arrivé à des euh, résultats performants. C'est ça que nous avons appelé à l'ECOP le programme d'urgence de culture Et ça a commencé en octobre 2011. Et là, il faut le considérer euh, cette activité doit être considérée comme une activité qui constitue une répétition de la mise en œuvre de l'initiative 3 L'État en a mis suffisamment de moyens et vraiment on était arrivé à des résultats performants pour la simple raison qu'à l'époque, la région de Difa, nous avons produit à peu près 40 000 tonnes en équivalent céréalier, ce qui n'est pas vraiment euh, négligeable euh, quand on prend en compte le caractère aléatoire de notre pluviométrie, la courte saison de pluie dans la zone et puis les déficits structurels euh, euh céréaliers qui vivent la région. Donc ça, ça a beaucoup contribué. Après maintenant, ce que nous avons appelé la répétition, l'État avait élargi l'initiative en approchant des par l'aménagement des petites superficies euh, qu'on appelle les petits aménagements agricoles. Donc, ce sont des aménagements qui sont faits à travers ce qu'on appelle le kit ménage au profit des femmes, une superficie de 40 hectares aménagés de, de hectare aménagé équipé de forages et de réseaux californiens et on pourrait contribuer à 40 femmes. Sinon, il y a d'autres plus grands aménagements de 10 hectares ou 17 hectares qu'on a fait sur la Comadougou. Et là, ça fait appel à la performance de l'irrigation de la région. Il faut la mobilisation des eaux souterraines pour faire ce genre d'irrigation. Ça veut dire que, euh, ça veut aussi dire que euh, les femmes sont beaucoup impliquées dans la production euh, agricole à DIFA. Absolument, absolument. Surtout quand vous prenez les cultures irriguées. Peut-être elles sont moins visibles dans les cultures pluviales, mais dans les cultures irriguées, vous ne pouvez même pas composer sans les femmes parce que c'est elles qui participent aux travaux en dehors des, travail, si on peut régaler que les femmes font, c'est-à-dire amener le repas ou de l'eau au chat, elles font les travaux de rééquipage, de les travaux de récolte, et même si les zones ne sont pas éloignées des centres urbains, c'est les femmes qui transportent soit dans des calebasses ou dans des bassines, sur leur tête des récoltes pour venir les vendre dans des centres urbains, pour acheter d'autres euh, denrées nécessaires à la consommation familiale qui est tourner Donc, on ne peut même pas négliger les femmes quand il s'agit de culture Vraiment impliqué. surtout le poivron. Et vous affirmez que donc l'initiative euh, des trois N a, bien marché Elle marche bien dans la mesure où, vous savez, euh, euh, l'initiative trois N pour notre région, surtout, a beaucoup développé les capacités de l'irrigation. Et je crois que pour nous, c'est vraiment la meilleure solution parce qu'on sait très bien que, compte tenu des conditions actuelles des terres cultivées pendant la campagne d'hivernage et compte tenu des conditions même rudimentaires de la pratique agricole, je crois que l'initiative 3N a beaucoup développé l'irrigation dans la région du Bichois. Actuellement, l'initiative 3N est en train d'appuyer à travers un autre projet qui est en collaboration avec le Haut Commissariat à l'initiative 3N, l'appui des crédits agricoles aux producteurs. Et tout ça, c'est vraiment pour développer l'irrigation. Parce que nous, pour notre région, avec l'agriculture pluviale, il est difficile de dire qu'on peut assurer notre sécurité alimentaire. Mais en combinant avec l'irrigation, on peut avoir des, résultats très, très performants. La culture du poivron, euh, vous en parliez tout à l'heure, cette culture a, repris parce qu'elle avait été euh, interdite pour des raisons euh, sécuritaires. Il faut comprendre, de façon formelle, l'État n'a jamais interdit la culture du poivron. Seulement, les terres dans lesquelles se pratique la culture du poivron, compte tenu de, l'insécurité, les populations elles-mêmes ont volontairement quitté. Or, quand vous, êtes loin de vos terres, il est difficile d'aller faire des cultures et revenir. C'est ce qui s'est passé. Par exemple, pour cette année, il n'y a aucun ordre formel de réoccuper les terres, mais pourtant les gens sont en train de pratiquer. Aujourd'hui, là où la culture de poivron s'est étendue, les gens ne mettaient pas pied l'année passée. Et là, Dieu merci, c'est parce que l'État quand même a posé des actes sur le plan sécuritaire pour assurer et même, euh, disons, vaincre euh, les sujets de Boko Haram et les repousser jusqu'à un certain niveau. Et les gens se sont rendus compte que la sécurité est assurée dans les zones où ils ne pouvaient pas accéder l'année passée. Alors les populations sont retournées dans ces cultures les populations ne sont pas retournés physiquement, mais ils vont faire des cultures et ils reviennent dans leur zone de déplacés pour y passer la nuit. Le matin, ils vont faire des cultures et le soir, ils reviennent sur leur zone euh, qu'ils ont vécu l'année passée pour y rester. Mais l'agriculture euh, pluviale et euh, irriguée s'est étendue au-delà de là où on était l'année passée. Boukari Kazelma, directeur régional de l'agriculture de DIFA. Nous allons terminer ce forum par une chanson. Cette chanson est faite par des artistes engagés pour le climat intitulée Yanaï Saouya Hali. Le climat a changé. Cette chanson est faite dans le cadre d'une campagne de plaidoyer et de mobilisation pour les changements climatiques de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Entreprend. Pour ma part, je vous retrouve demain à la même heure. Au revoir. ta na sake tsarin rayuwa za mu yaƙi da canshi yanayi da duka wani Mes Les grandes puissances du monde avec leurs essais nucléaires. Pour quelques billets verts, on fait raser une forêt entière. Le climat devient sévère, le goût de la vie devient amer. Combien de maisons inondées présents des familles sinistrées Combien de champs abandonnés parce que la terre donne plus ses fruits Il est temps qu'on se dise qu'on peut changer la tendance. Les énergies renouvelables, on en a en abondance.